Man quotidien d'aujourd'hui, mardi 21 novembre 2023. Thème Double droit de priorité. Double droit de priorité. Test de lecture, 2 Pierre chapitre 3. Deuxième Pierre chapitre 3, lisons à partir du verset 3 à 9. Enseignez par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des cœur avec leurs railleries, marchant selon leur propres convoitise, et disant, où est la promesse sur son avènement, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Il veut ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre est tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par cette choses le monde d'abord alors périt, submergé par l'eau, tandis que la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu et pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impires. Verset lui dit, Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. ce neuf, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas que aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le verset clé, c'est le verset 9 qui dit, Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais quelques-uns le croient, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. On raconte l'histoire d'un jeune garçon qui a fabriqué un bateau à la voile. Elle l'a bien équilibré et peinte. Tout confiant, il l'a mené au lac avec un petit vent. Le bateau se mit à onduler, suivant les vagues soudaines. Le bateau était hors du porté du garçon. Il flotta sur l'eau jusqu'à perte de vue. Quelques jours plus tard, le garçon était en ville et marchant devant une boutique de vente d'objets deuxième main. Il vit le bateau et on lui dit que c'était en vente. Le pauvre petit garçon n'avait aucun sou. Il travaillait dur et épargnait de l'argent. Un jour, il entra dans la boutique et acheta le petit bateau à la voile. En quittant la boutique, on l'entendait dire Petit bateau, tu es deux fois mien parce que je t'ai fabriqué et j'étais ensuite acheté à prix d'argent. Plusieurs remettent à cause le retour de Christ, surtout en ces derniers temps. Ceux qui le font font ignorant de la parole et de la miséricorde de Dieu. Dieu ne tient pas compte du temps et des circonstances, car Dieu lui-même, que car Dieu lui mille ans peuvent équivaloir à une journée. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme le, le croient les humains. Si le retour de Christ tarde, c'est pour permettre que l'évangile atteigne tout le monde entier. Dieu veut que personne ne, ne périsse, mais que parviennent à la repentance. Après la chute de l'homme, il cherchait à se réconcilier à Dieu et à obtenir le pardon par le sang issu du sacrifice des animaux. Ce sacrifice était éphémère car le sang des animaux ne peut ôter le péché. Puis un remède définitif fut trouvé lorsque Christ, à travers son sang versé, a obtenu la rédemption pour l'homme il paya le prix ultime pour racheter l'humanité et le sauver du péché et de ses conséquences. Dieu a donc un double droit de propriété sur le chrétien. Premièrement à travers la création et deuxièmement à travers la rédemption. Toutefois, il n'est juste question de savoir que Dieu a un double droit de propriété sur nous. Nous devons pouvoir, nous devons pouvoir en tirer profit à ne pas périr. La patience de Dieu envers les pécheurs a une limite. Le retour de Christ est imminent. C'est pourquoi vous devez reconnaître que vous êtes pécheurs vous repentir et croire à l'œuvre expiatoire de Christ à la croix pour être sauvé. Ce n'est pas ainsi que le double droit de propriété de Dieu vous aura profité. Ce n'est qu'ainsi que, ce n'est qu'ainsi que le double droit de propriété de Dieu vous aurez profité. Vous aurez profité. Pensez du jour. Le croyant appartient à Dieu par la création et par la rédemption. Le croyant appartient à Dieu par la création et par la rédemption. La Bible en un nom 2 Rois chapitre 20 et 21. 2 Rois chapitre 20 et 21.